lundi 27 mars 2023. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bon début de semaine à tous. Vous l'avez compris, il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Mariam Adé avec moi, Samira Rouafi. Bonjour Sami, tu vas bien Oui, ça va très bien, merci. Et le ramadan Tranquille, ma belle, ça se passe bien, merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Semi comme d'hab, nous commençons avec les flashs d'informations et aujourd'hui, l'invité de notre entretien du jour est Adamou Ide, un poète et romancier nigérien. Dans la rubrique Hebdo, nous parlerons des droits comme chaque lundi et nous ferons un tour à connu pour parler du panier de la ménagère pour finir avec la culture linguistique. Et eh oui, Mariam, sans oublier le sport avec notre chroniqueur sportif du jour, Gourouza hasumi Il y aura aussi le loti et on finira avec les messages de nos auditeurs. Pour rappel, pour ces mois bénis de Ramadan, nous vous proposons des conseils d'éthique et culinaire pour vous accompagner durant ces jours de jeûne. L'édition est assurée par notre dame de fer Adama Dawaki et la technique par Issa Lawali. On débute cette émission avec les flashs d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Mariam Ade. Bonjour euh, Samira Bonjour Mokhtar. T'as quoi pour nous ce matin eh bien, le président de la République, euh, président du Conseil supérieur de la magistrature, Mohamed Bazoum, a présidé vendredi la cérémonie de prestation de serment de deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Dagara Mamadou, maître de conférence en droit désigné par le bureau de l'Assemblée nationale, et de Ibrahim Boubé, magistrat du premier grade, deuxième échelon au titre des représentants élus euh, des magistrats du premier grade. Pour rappel, la constitution nigérienne dispose qu'avant leur entrée en fonction, les membres prêtent serment sur le livre saint de leur confession devant le président de la République. Par ailleurs, le Premier ministre Omoudou Mahamadou a présidé à Niamey la session extraordinaire du Conseil national de dialogue politique CNDP dont il est le président. Cette session extraordinaire qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, des leaders de la majorité politique, ceux de l'opposition et des partis non affiliés avait à son ordre du jour deux points principaux dont l'examen et l'adoption du rapport général des travaux du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret portant création du CNDP et de son règlement intérieur. L'armée nigérienne a annoncé avoir neutralisé près de 80 terroristes, euh, plusieurs moyens de communication et une centaine de motos détruits, des armes et des munitions récupérées. C'était lors euh, d'opérations menées dans l'ouest du pays au cours de la semaine écoulée. Une poursuite euh, simultanément engagée par les forces aéroterrestres jusqu'à la zone de Hamkat, lieu de refuge du responsable de l' du 10 février 2023 à intagamen L'annonce a été faite dans le bulletin hebdomadaire d'information des forces armées nigériennes publié vendredi. C'est tout pour le flash d'information de, ce 27 mars. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues Samira Rouafi et Mariam Adé. Merci beaucoup Moukhtara, à très bientôt. Bye. Alors, euh, comme annoncé en début de l'émission, nous allons écouter un entretien avec Adam Ide, un écrivain nigérien, poète et romancier. Il est auteur euh, des livres comme La panthère du fleuve, La camisole de paille, Wassapaise qui veut dire voter pour moi en langue zarma ou camarade qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en mai 2021. Mais avant de poursuivre cet entretien, écoutons quelques conseils du prédicateur sur la pratique jeûne. Comme son nom l'indique, la première décade constitue les dix premiers jours de jeûne du mois de Ramadan. Il est recommandé durant cette période de multiplier les actes de bienfaisance pour bénéficier des récompenses. Également, le prédicateur Oustaz Haladou Yahya explique les actions qui annulent et qui sont tolérées pendant le jeûne. On l'écoute, il est joué au téléphone par Hawa Ousmane. La première décade, est une décade euh, exercice. le fidèle doit s'atteler à l'organisation de son mois. C'est pourquoi il faut s'organiser pour faire un calendrier d'accomplissement des bonnes œuvres, de lecture du Saint-Coran, de la participation à la prière de Traoui, au Gamalel, à la lecture du Saint-Coran, mais surtout, faut s'organiser au maximum à se faire un frein pour éviter de parler du tout et de n'importe quoi. L'autre aspect, il faut s'organiser en fonction de ses possibilités à venir en aide aux faibles et aux nécessités à partager avec Le prophète Mohammed seulement a dit il faut se protéger contre l'effet de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une moitié de date. Pour profiter, il faut nécessairement organiser ce scrupuleusement les règles relatives l'observation du jeûne du mois béni de Ramadan, du lever au coucher soleil. Le jeûne euh, du mois béni de Ramadan peut être euh, invalide pour plusieurs raisons. D'abord, l'apostasie. C'est parmi les conditions des obligations du jeûne. Pour jeûner, il faut être musulman. Manger et boire aussi volontairement, ça annule le jeûne. Il y a également les injections intra euh, nourrissantes. Il y a le volume volontaire pour les femmes, les menstrues ou les léchis. Si ça intervient, quel que soit la petite le matin en état d'impureté majeure, c'est-à-dire la janaba, c'est un acte toléré. Lorsque quelqu'un en dormant arrive à se satisfaire naturellement, c'est-à-dire aimer du sperme, là aussi c'est un acte toléré. Parce que le prophète Mohammed a dit la responsabilité de l'enfant, du fou et de celui qui dort est dégagée. Retrouvons à présent notre rubrique invité. Dans cette première partie, Adomi Idé nous parle du rôle de la poésie, bien évidemment l'apport de cet art en période de crise, comme un peu partout dans le monde et au Sahel, pour le maintien de la paix et enfin nous parle de la survie de cet art au micro de Habib Garba. J'essaie de, de transmettre euh, par la poésie donc euh, ce qu'il convient de dire euh, à ce moment-ci de où le monde est un peu traversé de part en part par des informations alarmantes qui touchent à, la sécurité des personnes, à la paix mondiale, aux souffrances des familles, des jeunes, l'insécurité un peu partout dans le monde, particulièrement dans nos pays du Sahel. Euh, il est bon de savoir effectivement si la poésie peut apporter son brin de compréhension de ce qui se passe autour de nous, chez nous et ailleurs dans le monde. Euh, les poètes ont été toujours interpellés par ce genre de situation, euh, non seulement par la condition qu'ils vivent eux-mêmes en tant que poètes ou elles-mêmes, mais par ce qu'ils voient autour d'eux et qui, qui, les amène à interpréter ces situations avec un genre particulier qui est la poésie. C'est quoi la poésie euh, Comment définir la poésie Je ne sais pas, il y a plusieurs façons d'aborder euh, ce genre littéraire. Par exemple, si je prends euh, Aimé Césaire, il dit que la poésie est une plongée dans la profondeur de l'être. Hein. Voilà, voilà par exemple une perception de de la poésie. Euh, quand, je prends Makili Gassama, euh, il dit que la poésie est une fête des mots. Hein? <laughs> Ouais, ouais. Donc il y a plusieurs façons de, voir la poésie. Euh, alors, il faut dire que dans nos pays africains, depuis le temps des royaumes jusqu'à aujourd'hui, la, poésie a occupé une très grande place. Par exemple, euh, dans, les sociétés féodales, c'est le poète, hein, c'est celui qui parle, qui, qui, qui harangue, qui conseille le, chef parle euh, par la poésie. Euh, c'est le seul qui, détient la parole et il parle au nom de du peuple, de la société. C'est le seul qui peut dire la vérité là où les autres ne peuvent pas le faire. Donc le poète a toujours joué un rôle important dans la dans la préservation de la paix sociale. Hein, ça ça, depuis longtemps. Et il a toujours magnifié euh, ce qu'il a comme exemple à suivre pour promouvoir la paix. Je prends par exemple euh, pour, pour stimuler aussi le courage, la résistance. Quand on prend les, les légendes de Djadou vous, vous retrouverez un peu ce, ce genre d'approche. Ensuite, si nous prenons dans les sociétés modernes, euh, je crois que l'indépendance de l'Afrique n'aurait pas été possible sans le cri de guerre des poètes. Hein, depuis, euh, euh, je dirais, Léon Gontran Damas, Senghor, Aimé Césaire, je viens d'en parler, David Diop, hein, Agostino Neto, de grands poètes, tout cela qui ont mis leur talent au service de leur peuple pour la liberté. Donc il y a un enjeu important euh, que véhicule ce genre littéraire, qui n'est pas anodin, qui n'est pas qu'on ne vit pas de manière simpliste. C'est un rôle qu'il faut assumer, parce que euh, est en jeu la liberté, la justice, la paix entre les hommes. Aujourd'hui, comment vous, vous voyez l'avenir de ce genre littéraire il faut dire que c'est un genre d'intérêt qui n'est pas très. Euh, que les gens n'abordent pas facilement. Les gens pensent que c'est difficile. Or, il n'en est rien. Euh, il n'en est rien. Il suffit. Euh, il suffit de. Je ne dirais pas que c'est facile. Hein. Je ne dirais pas que c'est facile. Mais il faut se mettre, je crois, au diapason de, la vision que projette le le poète dans, dans, dans ce qu'il pense parce qu'il parle avec les tripes. c'est cette façon de communiquer son être, son mal-être aussi, qui fait que euh, la poésie touche euh, le sens. Les poils séries, on, est presque en transe quand on dit certains poèmes et, qui posent des interrogations, des, euh, des questionnements donc, euh, sur, sur, la vie du monde et sur le pays. Si, je prends euh, l'exemple de, notre pays, nous avons connu de très très grands poètes. moi, je ne parle pas de moi, mais avant moi, il y a eu plusieurs grands poètes. Hein, Issa Ibrahim, euh, Banyasai, n'est-ce pas Il y a euh, de nouveaux poètes maintenant, il y a aussi euh, Mamani, Ablaï. Euh, et à l'indépendance, ce sont ces poètes-là qui ont porté la naissance de notre État. Boubou Hama aussi écrit de la poésie. Donc nous sommes dans un pays de poètes. malheureusement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ce genre est en train de disparaître. on, ne sait pas pourquoi. C'est le lieu, je pense, de, de remettre cela au goût du jour et de proposer aux enfants une autre façon de voir le monde à travers la lecture de poèmes. Euh, je pense que c'est, si on peut trouver dans le créneau horaire euh, des moments de, de lecture de poésie, ça peut euh, être intéressant pour les élèves. Mettons une pause avec notre invité et passons maintenant au conseil diététique. Mariam, cette année, le mois de Ramadan coïncide avec la période de forte chaleur euh, qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Et eh oui, Samy, c'est pourquoi les nutritionnistes recommandent aux génères de se mettre à l'abri du soleil et de se rafraîchir. Ce sont les conseils du docteur Harakoy Mohamed, médecin pharmacien nutritionniste. Ce mois de Ramadan intervient pratiquement dans une période de forte chaleur. De prime abord, notons que la température euh, corporelle est régulée pratiquement à une température de 36-37 degrés Celsius. Pendant cette forte chaleur, euh, cette température a tendance à s'élever, à atteindre pratiquement des températures euh, qui vont jusqu'à 39 degrés, ce qui peut entraîner une déshydratation extrême, des fortes crampes et parfois même entraîner le décès. Pendant la chaleur, l'organisme sécrète euh, de l'eau à travers la transpiration pour essayer de diminuer cette température corporelle qui s'élève pendant la chaleur. Donc euh, pendant ce mois de Ramadan, les jeûneurs se doivent créer les conditions nécessaires pour ne pas trop transpirer en évitant de s'exposer au soleil et également s'humecter euh, physiquement à travers la prise de bain des toilettes régulièrement dans la journée pour éviter euh, cette transpiration. les aliments à privilégier lors de la rupture du jeûne du ramadan sont surtout plus les aliments riches en eau, les aliments liquides comme l'eau, les tisanes à base de quinqueliba, menthe citronnelle, basilic, les soupes de légumes, mais aussi le lait. Donc les aliments riches en eau vont permettre à l'organisme euh, de se réhydrater, de combler toutes les pertes hydriques Posé euh, pendant la période du jeûne et également dû à la canicule. Les aliments légèrement sucrés comme euh, les fruits et les jus de fruits, la date, le miel, et aussi la bouillie. Ces aliments riches en sucre vont permettre à l'organisme de réguler euh, le taux de sucre dans le sang. Merci docteur Harakoy pour ces précieux conseils. Merci à toi aussi Rahila Soumana pour cette belle interview. Dis-moi, Mariam, entre naviguer sur Internet et lire un livre, qu'est-ce que tu préfères <laughs> L'aider ma belle femme, tu sais qu'on est plus connecté sur Internet. <laughs> Alors, la deuxième partie de cet entretien avec Adam Ouidé, il nous recommande de lire beaucoup car c'est aussi bien pour notre culture générale. Et à la fin de cet entretien accordé à Habib, il nous lit un extrait d'un de ses poèmes, Lettres des Zongo. D'aucuns disent que c'est l'outil Internet qui impacte sur euh, l'évolution de ces genres littéraires. Oui, il faut s'en passer. Il faut, il faut s'en passer. Il faut trouver euh, vraiment le moment de prendre le livre, de rentrer dans le livre, euh, que ce soit euh, poésie, roman ou autre. Internet, je pense que nous sommes en train de découvrir les limites. je prends l'exemple de certains jeunes, ici même dans notre pays, qui ont constitué des clubs de lecture avec des livres physiques, c'est pas Internet qui, lisent et qui rendent compte de ce qu'ils ont appris dans le livre et partagent. Ça, c'est une très bonne chose. Ça va aujourd'hui pour le genre romanesque, mais ça peut aller aussi pour la poésie. Je crois que c'est très très important que les jeunes se détachent un peu de l'écran pour prendre physiquement le livre et l'aborder, quel que soit le genre. Donc pour la poésie, je pense que c'est une très bonne idée de, de commencer à réfléchir dans ce sens-là ça veut dire que ça a des beaux jours aussi si Ah oui, oui, euh, je pense que c'est le premier langage. Les enfants, ils comprennent euh, tout de suite ce que, ce que l'on veut dire parce que c'est la sincérité de l'être. Parce qu'en poésie, on ne peut pas cacher hein, ce, qu'on est. Dans le roman, on peut prendre des raccourcis, on peut prendre une histoire, euh, parler même de soi à travers un personnage fictif. Dans la poésie, ce n'est pas possible. C'est l'être profond qui parle. Euh, <laughs> voilà, donc euh, si vous voulez, euh, on peut faire peut-être un extrait de, d'un poème ou de deux. Et même en langue nationale, je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui de, de travailler dans ce genre de direction. Hein, voilà. Vous pouvez nous citer quelques rimes Moi, j'ai un petit texte que je peux vous proposer. Hein. Hein? <laughs> Le prix de poésie au Festival de la jeunesse de Difa. En 1983. Ça s'appelle Lettre de Zongo. Zongo, c'est le quartier ici. Zongo, Vous voulez un extrait Oui. <laughs> Alors, euh, Lettre de Zongo. Connais-tu Zongo, mon quartier Comme Gawai, Bukoti, c'est pourri. Rien à voir avec le plateau. Le soleil ne se glisse pas subrepticement à travers les persiennes, il explose par les larges fenêtres. Sur le visage de l'enfant qui n'est pas fatigué de dormir ou de mourir, c'est pareil. Ne me dérangez point. Il est mort une fois déjà l'enfant et aujourd'hui. C'est de palus, donc de polio, de méningite, de manque de gîte. Ne me dérangez point. Mon enfant est mort, mais peut-être qu'il dort. Au réveil, il va s'attraper les tripes et se tordre de faim. La faim, c'est la faim quand la marmite familiale prend sa retraite. Midi se fait attendre. Le voici déjà. Mais c'est le père qui manque le rendez-vous. Peut-être est-il au scooby pour penser une blessure avant de rejoindre les autres. Tous les voyageurs errants sans guide, sans boussole, dans la nuit, qui cherchent le jour, car ils ont la tête dure, les fils de la nuit. Ils vont cueillir les fleurs qui n'ont pas peur du soir. On les a laissés pour morts. Ils ont la tête dure, les fils de la nuit tous les laissés pour compte qui s'éveilleront en sursaut comme hier à Soweto. C'est un poème écrit en 83 et par lequel j'ai entamé une, carrière littéraire grâce au prix que j'ai eu euh, au Festival de jeunesse de, Difa. Merci à l'écrivain Adam Idé pour cette belle entretien et merci aussi à Abib Gagba pour l'avoir réalisé. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Sam, il est à présent l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Comme chaque lundi dans cette émission, nous abordons des questions de droit dans la rubrique Justice avec Ternan Foudé Ahmeda. Ternan, quel est le sujet d'aujourd'hui Oui, Mariam, ce matin, nous allons éclairer nos auditeurs sur la perquisition. Ternan, nous aussi, présents dans ce studio, nous voulons en savoir plus. Dis-nous tout la perquisition, c'est une fouille policière d'un domicile sur ordre judiciaire. Mais pour plus de détails, je vous propose d'écouter le juriste Abdelkader Mahazou, doctorat à l'université Kizef euh, Zerbo de Ouagadougou. La perquisition, c'est un acte de police judiciaire ayant pour but euh, la découverte d'éléments matériels de preuve d'une infraction à la loi pénale afin de la saisir et de les présenter au tribunal comme pièce à conviction. Est-ce que la loi protège la personne chez qui la perquisition doit avoir lieu Pour protéger les personnes contre d'éventuelles violations de leurs droits, la loi a posé des garde-fous en édictant des règles dont le respect s'impose aux enquêteurs, aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la perquisition. La loi a voulu protéger le domicile, la vie privée et le secret de la correspondance. L'article 54 du Code de procédure pénale dispose, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exception prévue par la loi, les préquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 h Donc il s'agit là des heures légales, la perquisition. Quelles sont les heures légales de la perquisition Les heures légales pendant lesquelles il est possible d'effectuer une perquisition dépendent de la nature de l'infraction qui est en cause. Et dans tous les cas, la perquisition ne peut être commencée avant 5 heures et après 21 h dans le cadre du droit commun de la perquisition. Est-ce qu'il y a des exceptions pour ce qui concerne ces aires légales de la perquisition Il y a des exceptions au droit commun de la perquisition. D'abord, en matière de lutte contre le terrorisme et financement du terrorisme, la perquisition peut être effectuée en tout lieu et en toute heure. Donc, même en dehors des aires légales, il est possible d'effectuer une perquisition en matière de terrorisme et financement du terrorisme. Ensuite, en matière de lutte contre la traite des personnes, l'ordonnance numéro 2010-86 relative à la lutte contre la traite des personnes prévoit la possibilité d'effectuer des préquisitions même en dehors des aires légales, à condition d'obtenir l'autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes. En outre, dans les procédures de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, la préquisition peut être effectuée au-delà des heures légales, et c'est conformément à l'ordonnance 99-42 relative à la lutte contre la drogue au Niger. Une perquisition peut s'opérer en toute heure dans un lieu public. La perquisition dans les locaux protégés ne peut être effectuée qu'en présence du maître du lieu. Il s'agit ici euh, des cabinets d'avocats, des casernes militaires, des cabinets euh, médicaux, des locaux universitaires. Est-ce que le consentement a une place dans le cadre d'une perquisition Par rapport au consentement, en enquête préliminaire, la perquisition ne peut être effectuée sans le consentement, sans l'assentiment de la personne chez laquelle l'opération devait avoir lieu. Donc, au stade de l'enquête préliminaire, il faut nécessairement le consentement de la personne chez laquelle l'opération devait avoir lieu. Et dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, le consentement du chef de la maison n'est pas requis pour effectuer une perquisition. Très intéressant, mais globalement, Tanan, qu'est-ce qu'on doit retenir Oui, Mariam, euh, notre interlocuteur nous a édifié sur la perquisition. Avec lui, nous avons appris qu'une perquisition peut même se dérouler en dehors des heures légales, c'est-à-dire avant 5 h du matin et après 21 h sauf en cas de certaines infractions, comme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, où la perquisition peut être effectué en tout lieu et en tout moment. C'est aussi le cas dans une affaire d'enquête sur le trafic de drogue ou encore en matière de lutte contre la traite des personnes. Par ailleurs, pour une perquisition, pour, une, pour qu'une perquisition dans une caserne se déroule ou dans un cabinet d'un avocat, il faut nécessairement la présence du maître des lieux. Merci beaucoup Tangnana pour euh, toutes euh, ces idées. Moi je savais pas, je n'étais pas au courant de tout ça là, c'était très très intéressant. Dans la rubrique rose d'aujourd'hui, nous allons vous proposer comment bien se parfumer et mettre du parfum correctement, surtout en cette période de chaleur. La rubrique rose, c'est aussi euh, des recettes et astuces culinaires pour vous, mesdames. En ce moment de ramadan, plus besoin d'utiliser le concentré de tomate en boîte. J'ai hâte d'entendre ce que Rabia Mekano et Fanta souvent nous présenter. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Chers amis jeunes, c'est toujours cool vraiment de vous retrouver dans cet espace dédié à la beauté, euh, au bien-être. On parle de la rubrique rose, bien sûr. Dans le numéro d'aujourd'hui, on continue avec des astuces pour bien se parfumer au bon endroit et de la bonne manière. Et en espace cuisine Bibi, nous allons voir comment préparer sa pâte de tomates fait maison. amusant dans ce numéro, on continue vraiment de bien se parfumer avec les astuces que nous avons trouvées spécialement pour vous. Conseil numéro 1, vaporiser sur les points chauds. Le truc à tenir, c'est que c'est la chaleur qui diffuse votre parfum. Il est donc préférable de se parfumer sur les points chauds de votre corps, vos poignets, dans le creux derrière vos oreilles, notre endroit favori, dans les plis de votre coude ou encore derrière le genou. Oui, Fanta. Ah, Derrière ah, ça, c'est une genou, découverte, Franchement, ça dure toute la journée. Tu t'assois, tu te lèves, ton parfum, il est partout. Résultat, vous pouvez aussi vous parfumer par-dessus votre crème hydratante car le parfum tient généralement plus longtemps sur un corps gras. Conseil numéro 2, parfumez vos vêtements. Vous le faites peut-être déjà, mais on vous conseille de parfumer l'intérieur de vos fringues, surtout quand il fait froid en cette période. Les parfums ont tendance à moins tenir et moins diffusé. Par ailleurs, parfumer un vêtement, c'est aussi donner la possibilité aux personnes qui ont la peau sensible ou qui supportent pas l'alcool de profiter de leur parfum favori. Enfin, il faut savoir aussi que tous les textiles n'accrochent pas et ne diffusent pas les odeurs de la même façon. Les tissus synthétiques, par exemple, diffusent beaucoup moins les odeurs et peuvent même les modifier. En bonus, on ne frotte pas l'endroit après avoir vaporisé le parfum. Ça éclate les molécules et rend le parfum agressif. On le laisse tranquillement son bout de chemin toute la journée. Donc, Fanta, on frotte pas. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour faire durer le plaisir et faire que votre parfum préféré tienne le plus longtemps possible. Il ne vous reste plus qu'à passer à la pratique. À vos marques, spray, partez. <laughs> Et on passe en cuisine à présent, Rabi. Aujourd'hui, on va voir, comme je le disais, comment faire la pâte de tomate fait maison. Ah. Il vous faut d'abord rincer soigneusement vos tomates à l'eau couper les pédoncules, c'est-à-dire les points un peu noirs sur les extrémités des tomates et mettre de côté. Ok. Découpez ensuite les tomates grossièrement, mixer le tout, puis filtrez et portez à ébullition jusqu'à l'évaporation complète de l'eau. Cela pourrait vous prendre une bonne trentaine de minutes selon l'intensité du feu. Il vous restera par la suite une pâte assez compacte. Gardez-la au feu et continuez à bien remuer pour qu'elle ne s'écrame pas. Mais l'idéal ici, Rabi, c'est d'utiliser une marmite anti-adhésif. Pour terminer, ajoutez un tout petit peu d'huile d'arachide, de préférence, hein, sinon de l'huile végétale, ça ira aussi. Et continuez à cuire pendant au moins 15 minutes. Et vous avez votre pâte de tomate que vous pouvez conserver pendant au moins deux, semaines au frais. Oh, merci Fanta. Franchement, là, on peut profiter de la saison de la tomate pour... Euh, Justement, Rabi, c'était ça l'idée en fait. C'était ça l'idée. Super. Ben, merci, amis jeunes. Oui, ici prend fin cette rubrique rose. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup les filles pour vos conseils toujours euh, très très utiles. Durant toute euh, cette semaine, euh, nous allons faire le tour de quelques marchés en région pour vous imprégner des prix des produits. Vous l'aurez compris, nous passons à notre reportage régional. Et oui, c'est ce matin, direction Birnin dans la région d'Ottawa où notre correspondant Asman Arzika a recueilli les avis de quelques consommateurs sur les prix des denrées alimentaires et légumes. Voici son reportage rendu au studio par Alamine Washer, mais nous retrouvons Asman en ligne après ça. Dans les marchés de Birnin Koni, on constate une baisse des produits de première nécessité relativement à l'année dernière selon les commerçants détaillants que nous avons rencontrés sur place. Ça tombe bien puisque c'est le souhait de la population surtout en cette période de Ramadan. eh sai da ce ubangi Allah ka sauki amma abinci ba na gaskiya bai hawa ba akwai abinci alhamdulillah shi shi duka sun sauko tsakanin maka da shinkawa da sohula domin ba na hula kaga ta ci da da shinkawa da maka amma duka ba na Allah sa abubuwa ba sai ba ci tsada ba sai dai abu guda ne rashin kuɗi ga mutane tunda magidaci ya san sai buhu biyu ko guda amma sai ga mutum ya sai tiyo ko killuwa domin rashin kuɗi shi shekka haka sai dai a ce Allah ya sauki a ci shiga ba sai jika da arba'in jika da hamsin sha kuma a sai ta ɗari uku ba ishirin kenan ka gama na akwai sauki dala sittin su muka sai bara ko a sai dala tamanin dala saba'in don da bara ko da azumi ya to tsakanin maka da kuskus kuskus ba sai da an kai sai jika amma bana gashi Allah ka sauki a sai ɗari talatin talatin kenan ka ga akwai sauki bisa bara. mai shi ma Allah ka sauki shi domin litin jikar tana take bara ko ko da azumi to a sace shi jikar hamsin hamsin kenan kaga akwai sauki Allah ka sauki wanga azumi da to Allah gwada mana yazo laya wuce laya Ces consommateur avec qui je me suis entretenu confirme également que les prix des légumes sont abordables en tout cas mieux que l'année précédente lalle bana kaya sun yi arha bisa kan bara bara mai ɗari jika da hamsin muka sayan shi bana komai jika da talatin masara bara ɗari da hamsin muka sayan shi bana kuma ɗari da talatin bangaren shu kuma alhamdulillah in ka ba dala ɗari shu ana baka ɗa biyar ganye sai an cika maka buhu to matsalar dai ta maka dai adda tsada saboda shi ko gandarin gana da an ka kai bangaren albasa ma alhamdulillah fresh ma lallai bana alhamdulillah an samu canji kawai bisa gabara bara mi za a ce bisa canji za a ce tun da kaya bana an ga sauki ba kama bara ba saboda mun ka ɗauki misali in abin ma miƙe haka nan to gaskiya sai mu ce mu ƙara godiya ƙara guda ɗaya ga mutane kuɗi dai ne ababu to wannan daɗa shi kuma wannan wani yanayi na kuma daga ubangiji sai mai fata allah kuma shi kama na sauƙi kuma alhamdulillah shekarar bana alhamdulillah komi da komi ya sabko sai dai dangance da yanayi na kasuwanci na yanzu da mutane ba su da kuɗi amma alhamdulillah komi ya sabko ana kasuwanci sha ta yadda sannu sannu hankali ɗaya na ba gaskiya bana akwai sauƙin kaya yanzu ka saba in ga maganar cikin azumin gada muke abinci kan yana da siwa kuɗi na sun ka tsinke mutane don babu kandan ka samo abin dala ashirin sai ka zuhan goshi sai ka gashi baraka akwai cara amma kana ganin bana babu kuɗi ga abinci sa arha amma babu kuɗi babu su lokacin gada muke cikin azumin ga Néanmoins, il se plaint de la morosité économique les freinant dans les achats. Et c'est malgré l'abondance des produits frais et des denrées alimentaires sur le marché à Bernier-Conny. ana sanar da mu da asuman arzika yana kan layi salamu alaikum asuman muna layiya wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala ina kwana kuma ya azumi ah, ah, a lola ya gida lahiya lau wallahi ya azumi to muna nan muna yi sai godiya ah, insha Allah Allah da alheri amin amin to madalla asuman muna son mu sani yaya ne farashin kayayyaki suke cikin kasuwa a can kwanne To farashin kayayyaki lalle takamaimai a halin da ake ciki ya sauko sosai yadda ya kamata ba ɗaya da shekara ta baraba da aka fuskanci hauhawar farashin eh, kayayyaki sosai idan kana buƙatar sayan kayayyaki idan ba kana da kuɗi masu yawa ba ba ya kashe kasuwa ka yi sayya eh, amma a bana farashin ya sauko kai tuba da kalla a cikin gundumar birnin kwalli. To tsakanin masu saye da masu saisuwa tsakanin su wa'anne nake kuka kwarai da rashin kuɗi a hannu to yawanci waɗanda duka wato ɓangaren guda biyu suna kuka dangance da rashin kuɗi a daidai ɓangaren masu saisuwa eh, ga shi kayayyakin sun yi arha a wajen su sai su zamna su ini waɗansu ma sai kwana saboda babu ciniki mutane ba shigowa saboda rashin kuɗi Eh, su kuma bangaren masu sayayyakin da katon da zai ce lalle suna bukata ruwa amma dai kai rashin kuɗi ne eh, rashin kuɗi ne da ke gare su shi ke hana su shigo kasuwa amma dai kayayyaki sun yi arha. To mala Asama a ganin ku nan zuwa ƙarshen watan azumi kuɗin za su iya ƙaruwa? Eh, kuɗi kamar farashi ko kudai kamar Madalla farashin kayayyakin nake nufi. To lalle ba tsamanin bana kai a ce kayayyakin sun ƙara kuɗi. Mhm, mhm. Thomas <laughs> <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Passons à présent à la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour, Agouza Zahasumi. Bonjour. Bonjour euh, Myriam. Alors Grouza, cette semaine, c'est cette semaine que les sélections nigériennes vont jouer les, les éliminatoires africaines. Ah oui, dès aujourd'hui, le MENA version A va affronter à Tunis en match retour les Fenech d'Algérie. Comme vous le savez, les Algériens ont franchi un premier pas vers une qualification jeudi à Alger en battant le Niger lors de la première manche 2-1 au stade Nelson Mandela d'Alger pour le compte de la troisième journée du groupe F. L'Algérie n'a besoin que d'une seule victoire pour prendre la première place de ce groupe après le sacre samedi en déplacement de la Tanzanie contre l'Ouganda sur le score de 0 but à 1. Les Fenech comptent prendre les trois points nécessaires dans cette perspective de la de qualification lors de sa seconde confrontation avec le MENA du Niger qui cependant devrait vendre chèrement, chèrement sa peau car désireux lui aussi de disputer les phases finales de la prochaine Cannes. Lors du match aller à Alger, vous vous rappelez, le Niger avait longuement mené au score 0-1 et ce n'est que difficilement que les camarades du capitaine Marais ont réussi à renverser la vapeur pour l'emporter finalement 2 buts à 1. Alors Gouza, quelles sont les nouvelles des U23 du Niger Oui, les poulains de Zakariaou Ibrahim Yahaya vont faire leur sortie demain mardi au Soudan face à l'équipe nationale de ce pays qui est venue d'ailleurs à Niamey la semaine dernière, vous vous rappelez, en match aller. 0 euh, but partout. Donc, la rencontre de demain est décisive euh, pour les deux nations car le vainqueur de cette double confrontation obtiendra son billet pour les phases finales de la Cannes dans cette catégorie. Alors, hier, Gourouza, le Maroc a battu un match amical le Brésil. Oui, euh, Mariam, la rencontre a eu lieu au stade de Tanger au Maroc. Les Lions de l'Atlas ont eu le dessus sur l'équipe brésilienne en match amical sur le score de 2 buts à 1. Le Maroc a ouvert le score d'ailleurs à la 29e minute de jeu par l'entremise de Sofiane Bouffa, profitant d'une mauvaise relance brésilienne. Casemiro va mettre euh, les pendules à l'heure à la 67e minute de jeu pour le Brésil. Abdelhamid Sibiri euh, va sceller le score à la 79e minute à l'avantage du Maroc. Enfin, de rencontre. Les Brésiliens vont pousser, pousser, pousser, mais buteront sur une équipe marocaine solide et bien organisée qui réussira d'ailleurs à conserver le score en sa faveur. Après, donc, le Cameroun, Miriam, euh, Myriam, euh, qui jusqu'à hier, le seul pays africain à avoir battu le Brésil officiellement d'ailleurs lors de la euh, Coupe des Confédérations en 2001 en France, le Cameroun avait sorti le Brésil en quart de finale grâce à un but splendide de la légende Samuel Eto'o. récemment encore, le Cameroun va battre le Brésil en match de poule à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Merci beaucoup, Guzman. Merci. <laughs> bye bye. Très, très, très, très nous continuons notre émission Les Niger sur Kalangou. À présent, je vous propose de suivre le portrait de Memouna Ibrahim, la présidente d'un groupement féminin. On revient juste après. maimuna umaru a gwanda kewayen wotira kan sai igine cfpd zarmaki ni labari na gace nodin kanal turawa na tela da radiyado kwai ne mo inga kunda gin funa nodin iwan sigiri kanga agorandi wasap fandara hunkuna a gwandi giruwai kan ana babu dakin lawi zai nirfa hamandi hankan nan akwai ga sigirawo sintin to hankan yi dan group wani wude ken su sai dum halga kason bakarau zan hun kun din mu da gu gun gidi hun kuna borkul ga bai hige no rai aga chada sandai mu gunu eh group wani wude ai ran sai kan wai borai gara wande gara rusai gara dotti gai gara nya zine gara ba babu zine gara donc hunkuna wai borbo gunu kan ni di di izai higi kul i kan bai go bin gano mata no kun izo fu gine man nay gafun dun ware yo samal bo goni sibi sa zambar wai ki gafu gine no hurno grup ma woni wo whatsapp no kan se la hay wat banu portable bo morgo ina reunion ni gondi muradu ina ha hali foto muradu kan gai sai ne wo kan ba no yirmu group ma sin girm Kennafa. nafa ni sai ko ina ran no habu fu bor kul mu ga kandi ya da mono ite ikul koy ga kandi bor wai waya nga yo ite president ya handu iddu ne ya kan maimuna umaru sigiro kan sai igane gurfaman kwai ga sintin anir no fahamai hankan gogate grupe mangay e wora semen hinka ka semen hinka mono ir ka len di hani ngano go murgu zongu taki taki zongu taki taki grup mo kanda zare kelle hinza zongu taki taki murgu ngi no ngano go koy gijina hedin ndey da te lay moy di mdifka tere dan kangi manda wadin seni gne surprise e kan grup mangay e gite da to di o mo kaga to bora me da me go murgu zambar fufu to nga gite no din kirgi yete gidan wayi gyo kan bara na dan wayi gyo kan bara wandi da go higi no ro na sinna yafan dano asika kaga bana zama kan na wadin te wai da si gugwai akwai kurni kwar man na gudu no kan ga kaga zubi man tal bor kulmu no ga yaddan wadin wadin sai no yirne idni ya fan da no boram koy gugorun ga lakkal ga mariye da hay irgan no da sarga jirbo wai taki aga ka kaga sun tanga zubi amma possibility go no kan ga hin ga fatta ngati mata handuya gano ne gite dinga banin fatta handuya gano ne gite ni gozu birse handuya gadi me da la sabo kitte asibisa sammil kan borgada e nin kan yino nef sammil ine nim sammil ban ni bai kan gara ba su dai noni da donc tirajo kan ai kande dirte batu igu wo kanga da kaga din no horo morgu bor kul sene sano tiraje ele man kul kanga se mayo go hantu man ter se irnara tiraje ner gati mi sambu bor taci irgo no ro kanan dig fay kul gudu 200 mil 200 mil ay minisi mi koy gite commerce hanki gen gite kanga na hino versement wa am facilité se to ndi wadin wo gara bas bambatano ya kai kan disi gurpe man sigiri no kan a wani kurai da wani bandaborai goga makani da a wani singiyanwo koy nemo igoga makani da maimuna umaru alhalo da kokaro wallahi maimuna mango ni bai haikuli gini alborno ga te wala maimun wano a gyasa wadini zan maimun a caba borai se kan haika albor gi hinga te inga wai boran gi hinga te ga gyasa ka alborai gote maimun mango ana nan borai te nya foi te babu fallo ya din mono wai borai da alborai ikul no go na i hanna dumo la halo a cini ka daidai tarin se maimun kinan bono ga gabu a gaba inna da mize a gaba kar inna da mize se Comme tu le sais, Rima, la bouffe, c'est vraiment la base. On est arrivé à ma partie préférée, la rubrique recettes culinaires. Eh oui, Samy tu sais, direction la cuisine. Aujourd'hui, notre collègue Hawa Ousmane est avec Zara Gouchi pour euh, des petits conseils culinaires pour manger sainement la sauce feuille appelée Anzarma Foku et Molohia en Et la préparation se fait sans arôme artificiel, mais juste avec des ingrédients locaux et naturels. Yau za mu nuna miya ta malohiya ta gargajiya ta agada saboda malohiya ana son ta ko cikin wace jiha ce. Duk in ka je malohiya dai kowa yana son miyar ta to ita ce yau za mu nunawa gaban yara. To ita malohiyar ga ya ne ake haɗa ta? Ita ana haɗa ta da nama da alkemu da daudawa da su tafarnuwa albasa da yajin miya. da tomati tomati kuma ita busassa muke sai ta gargajiya mu gyara ta tomati kauda mu fidda mata kasa eh da komi da komi da ita muke aiki mhm. to yanzu in ka zo za ka yi wannan miya yaya ne za ka yi in ka zo za ka yi wannan miya da farko dai in ka zuba manka ya yi zahi sai ka sa nama ka soya shi in ka soya sai ka sa albasa tafarnuwa in suka soyi suka dafu da kyau suka fuddo mai sai ka kawo daɗa daudawar ka kasa ka sa alkemu ka sa lawashi tunda mu muna sa lawashi lawashi nan su zabar ma gabu suke ce musu amma mu can aga da su lawashi muke cewa in ka soya su suka soyi suka soyi suka fuddo mai sa'annan sai ki kawo malohiya ita ma ki sa ta ki soya ta in kin soya ta tadda fitar soyu tana kamshi ko kin tsaye da ruwa ba ta cirewa za ka shanta da daɗinta kuma kamar mutane masu cewa tana sa su estoma in suka soya ta ta soyi ba ta sa su estoma ba su estoma saboda kuma da ake sa alkemun shi in ka ci alkemun ba ka estoma ko mai estoman ne ya ci ta aran na estoman ba ya tashi to ita wannan miya da wani lokaci ake yin in kana da sabga kana da baki ko kun kai ra'ayin kan kawai kai eh to in kai ra'ayin kan ka ma kana yi kuma in kana da baki ma kana yi kuma mu can agadas ba ko da ma wannan ne mai wasu suna yin ta saboda in suna biki da ita akwai murzazza akwai ta gari akwai wadda za a iya ci da shinkafa akwai wadda za a ci da tuwon tuke ko na masara ko na alkama mu yau na alkama ne za mu nuna mu saboda alkama mu ita ma mu ba masu garaken mu karhi su san da alkama ma akwai abinci da dama da ake yi da ita to wani irin nama na rago na awaki na shanu wani irin ake aiki to shi dai muna aiki da na rago muna aiki da na shanu sadifan da kowa da naman da yake ci amma ba a yi da kifi ko da kaza kamar shi wannan abincin me bambanta shi da sauran abin da ya bambanta shi da sauran shine mu ba mu sa harakan mu cikin kamar abincin arum tunda yanzu mutane da yawa ba su son haraka arum maji shi ya samu muka zo za mu nuna yadda ake yin alkin na gargajiya yadda ake yin dafuwa ta gargajiya saboda yaran mu su ma su yi koyi da abin da uwayenmu suka nuna mana tun can da da fari shi ne ya samu ma muka zo yanzu mu koya ma yara saboda kuma masu restoran su ma su samu su rinka buɗe aikinsu suna yin aiki da gargajiya tunda za su samu baƙi ko mutanen gari su tambaye su yadda ake yin shi kenan in suka koye shi ba sai sun sha wahala <laughs> Passons maintenant à la rubrique Loti en zone rurale. Certains élèves manquent l'école pour des raisons de corvée à la maison, notamment à la recherche du bois de chauffe ou de l'eau. Une situation qui pourrait impacter à la longue au rendement scolaire dès l'enfant. Qu'en dites-vous, Rekia Arimi, Samira Rouafi et Hawa Ousmana C'est moi <laughs> affairage, affairage, affairage, affairage. affairage. Mariama eh, mais dis-moi, c'est encore tes élèves qui te fatiguent comme ça jusqu'à tu parles toute seule. Hmm. Si seulement c'est le cas. En traversant la grande place, j'ai croisé une élève avec du bois sur la tête. Je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas à l'école. Elle me fait comprendre que c'est sa mère qui l'oblige à aller chercher du bois. Et gare à elle si elle ose retourner sans rien. Une élève qui fait la corvée des bois à l'heure des cours Mais pourquoi ses parents lui font travailler pendant que ses camarades sont à l'école. Eh pardon, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est aux parents. Il me semble que c'est la fille de Hajia Maimouna, la femme de hajj Maïkoudi. Ah, je vois, la petite Nadia, une fille très brillante. Mais ce n'est pas sa propre fille au fait, c'est la nièce de son mari. Je me rappelle qu'elle a fait venir la petite parce que dans son village, il n'y a pas de collège. À cette allure, la fille risque d'être exclue de l'école. Je trouve cette attitude irresponsable. Mais attends, qu'est dit Al-Hajj dans, dans tout ça Il ne peut pas réagir Qu'est-ce qu'il sait même de ce qui se passe dans la maison Lui, dès qu'il sort le matin pour le marché, il faut tard dans la nuit pour qu'il rentre chez lui. C'est la femme qui gère tout. Pauvre petite. Mais moi, en tant qu'enseignante, je propose qu'on rende une petite visite à Haja Memouna. Tu es partante Et comment Allons-y. Hum. Hé Allah ses parents. Il laisse ses parents. Trop méchant. Toi, tes enfants à l'école, mais tu laisses les femmes des autres. Salam alaikum. kok. salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Entrez. Bonjour Hajia. Comment vont les enfants Quel plaisir de vous recevoir chez moi. Les enfants sont à l'école. Mais que puis-je faire pour vous Eh, hey, pourquoi vous-même vous n'êtes pas à l'école, madame la maîtresse <laughs> ce n'est pas l'objet de notre visite. Mais tu disais que les enfants sont à l'école et je viens de voir Nadia faire des corvées au détriment de ses études. Vous trouvez cela normal Hé, hein, madame, comment osez-vous m'attaquer dans ma propre maison La manière dont je dis que ma nièce là, ça ne vous regarde pas. Elle va même se marier bientôt. Quel kilo Partez vite avant que je n'oublie le sens de l'hospitalité. Ah, jamais Mouna, calme-toi. On n'est pas ici pour te dire quoi faire, mais juste pour vous dire qu'un enfant a ses droits surtout dans le domaine de l'éducation. Parce que vous avez la craie en main, vous pensez être supérieur à moi Les enfants sont des enfants. Ils n'ont aucun droit. Ils doivent faire ce que leur parole leur dicte. Point barre. Hajia, il t'encombe de protéger Nadia comme ta propre enfant. C'est ce genre de traitement qui pousse certaines à figuer et être exposées à tous les dangers, viols, enlèvements et quoi sais-je encore. Subhanallah, moi ce n'est pas mon intention, pas du tout. C'est pas fini le Niger a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent l'enfant pour son bien-être. Le gouvernement a aussi adopté en 2016 un décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement des jeunes filles en cours de scolarité. Ces décisions ont été prises tout ce qui peut causer l'abandon de l'école, notamment le mariage d'enfants, l'éloignement des établissements scolaires ou l'insuffisance des familles d'accueil. C'est bon. J'ai vraiment compris. Je ne vais pas avoir tout ça sur ma conscience. Désormais, elle ira suivre ses cours comme ses cousins. Nadia, viens ma fille. Je t'accompagne au collège. Hajia, tu es sûre d'avoir tout compris Sinon, je peux aller expliquer tout cela à Alhaj Mekoudi, hein N'est-ce pas, Binta Ah, on va aller quand même. Non, non, non, non, non, ce n'est pas la peine. Merci à vous d'avoir pris la peine de me conseiller sur mes ajustements. Je t'en prie, Hajia Maimouna. Peut-être que c'est elle qui t'amènera à la Mecque. Hé, hé, Eh bien, que Dieu fasse qu'il en soit ainsi, vraiment. Amen, amen. amen, Haja. Merci vraiment. Merci les filles pour vos conseils euh, et astuces. Passons à présent à la partie culture linguistique. Chers auditeurs et auditrices, Jackie Dalton nous explique aujourd'hui comment faire les salutations en anglais. Hi Mariam. Hi Sophie. <laughs> On l'écoute plutôt, ça sera plus intéressant. Hello, bonjour. How are you? Comment allez-vous? Justement, dans l'émission aujourd'hui, on va parler des salutations en anglais comment saluer les gens de façon formelle et informelle et leur demander comment ils vont. Donc première question, et je crois que vous devriez déjà savoir la réponse, comment dire bonjour Eh oui, c'est hello. Hello. Hello, c'est un mot qu'on peut utiliser à tout moment, matin, soir, nuit. C'est pas lié à un moment spécifique dans la journée. Donc simplement hello. Pour dire les choses un peu plus informellement, un peu comme salut, on peut dire hi. Hi. Très simple. Maintenant, comment allez-vous Une chose peut-être utile à savoir, c'est que en anglais, comme pas mal de langues, il n'y a pas la différence entre vous et tu. On dit you et you, ça peut être formel, ça peut être informel. Ça ne dépend pas de la personne à qui on parle ou le contexte. Donc, comment allez-vous ou comment vas-tu, c'est la même chose. How are you? How are you? How are you? Et la réponse Ben, en général, on n'aime pas répondre dans la négative pour dire ça va pas bien du tout, donc que ce soit vrai ou pas, on a tendance à dire je vais bien. Alors, comment dire je vais bien en anglais I'm fine. I'm fine. Comment dire je vais bien, merci I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Alors maintenant, on va reprendre tout ça, voir si vous avez bien retenu. Donc, comment dire bonjour Hello. Comment dire salut Hi. Comment dire bonjour, comment allez-vous ou bonjour, comment vas-tu? Hello, how are you? Hello, how are you? Et comment dire je vais bien? I'm fine. I'm fine, thank you. Hello, how are you? I'm fine, thank you. That was today's English phrase. How are you? place au message de nos chers auditeurs. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'avoir votre retour sur nos productions, surtout le fait de vous avoir très attentif. À vous la parole. sunana dauda shebu ne na garin babban kwari ne a cikin kwamitin mai jirgi cikin jihar tasawa kamar yadda na maka shirye-shiryen studio kalangu suna birge ni shi yasa nake sauran su lokaci lokaci musamman ma labaran su da kuma wasu shirye-shirye da suke basu kan harkar kiwon lafiya da basu harkar ilimi da basu harkar rayuwa ta matasa e kuma shirye-shirye ne waɗanda ana yin su da mu na gida kuma shirye-shirye ne waɗanda suke ba da ƙarfi bisa kan abubuwan da suke cin mutuwa ƙwarya na yanzu-yanzu kuma na haƙiƙa kaga wani abubuwa ne wanda hakika suna birgina a cikin harkar studio kalangu kuma shiri ne wanda na ga ana ɗaukar ra'ayin mutane sosai kuma idan mutane suka bada shawarwarin nan mun la'akari cewa yan studio kalangu suna amfani kwarai suna aiki kwarai da shawarwarin da mutane suke basu wajen harkar gyare-gyare na tsare-tsaren ayyukansu na ga kamar cikin irin shawarwarin da ake basu ne har ya kasance sun kara wasu sabbin shirye-shirye domin kara kyautata rayuwarmu mu masu saurari wallahi wannan abu ne wanda yake ya birgina sosai da sosai zan jinjina damtse ga dukkan ma'aikata ma'aikatan studio kalangu musamman ma malaman su masu fasara suna birge sosai da sosai saboda wallahi da tabakon su da gudun su ke sanya wani abu muke gane su tunda wani abu ba da yaran mu ake yin shi kuma sai mu gane dangance da abin da suke kuma ina mika safifiyar gaisuwar mu da killan studio kalangu na cikin jihar mu. Studio Kalangu muna jin daɗi muna kuma jin daɗin da ake abin gawayen muna da kai na dangin rayuwa da bidan ma kanmu incin kanmu. Vous aussi, vous pouvez nous laisser vos messages vocaux au numéro 82 89 84, 89 64 82 82 c'est plutôt le 82 89 89 64. À présent, accueillons euh, Rafika dans ce studio pour euh, la la elle qui va présenter le journal de ce soir. Hello Rafika, <laughs> quels sont les titres Bonjour Samira, comment ça va Ça va bien, merci. D'accord. Euh, pour les titres de ce soir, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, déplore l'agression perpétrée la semaine dernière par un agent de sécurité de ses locaux à Niamey sur un journaliste de la radio-télévision en Anfani sur le terrain. Vous aurez les détails dans l'édition à 17h. Des malfrats ont été interpellés le 19 et 20 mars dernier dans la ville de Meimougia à Kanché. Selon la police nationale, ils opèrent dans plusieurs domaines Donne les vols au tir ou avec infraction. On en parle également ce soir. Et de la partie magazine, on parlera de la différence entre la traite des personnes et le trafic illicite des personnes. Merci beaucoup Rafika. Ici prend fin cette émission, hein, chers euh, auditeurs et auditrices. À demain avec Fanta Esseno pour un autre numéro. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et Maria Ibrahimade. La technique a été assurée par Issa Loli. Et bien sûr, l'édition a été assurée par Adam Madawaki. On s'est dit à demain. Bye bye.